Hello, soyez les bienvenus encore à notre sondée des écritures. Une sondée des écritures spéciale pour les enfants. Nous avons appris beaucoup de choses la semaine passée. Avant que nous puissions aller dans cette étude, nous allons avoir un mot de prière. Éternel de Rachid, nous te nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir étudier ta parole. Seigneur, aide-nous à entendre ce que tu veux que nous fassions. Et Seigneur, amène la vie digne des fruits de l'Esprit comme tu le veux au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons dans les études des sondes des une étude spéciale des enfants. Nous allons se rappeler un peu. La, fois passée, la semaine passée, nous avons appris l'acte de faire l'évangélisation ou bien de gagner les âmes à Christ. On a vu que, étant enfant de Dieu, les jeunes filles et les jeunes garçons doivent prêcher la parole de Dieu et n'importe où ils sont à l'école, à la maison, avec les autres camarades, ils doivent aussi prêcher la parole de Dieu. Dire à leurs camarades, à leurs amis, ce que Christ a fait dans leur vie. Et un enfant qui n'a pas né de nouveau, un enfant pécheur ne veut pas prêcher la parole de Dieu. C'est seulement être de nouveau, étant enfant, que tu peux prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette étude nouvelle et on va voir ce que le Seigneur a vraiment pour nous tous. Et on verra le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Quel est le fruit de l'esprit Notre verset à mémoriser sera pris dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. La Bible dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. C'est ça dans la chapitre 5, le verset 22 et 23. Notre test sera pris dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 1 à 8 et Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Lisons premièrement dans Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. La Bible dit, verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. Allons-y dans Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'à 8. Verset 1 dit, je suis le vrai sept et mon Père est le vigneron. Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le tranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'inonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs, et à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4 dit, Demeurez en moi et je demeurerai dans vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5 dit, Je suis le sept, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6 d'ici quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Verset 7 d'ici vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8 d'ici vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans notre introduction d'aujourd'hui, nous allons voir que on voit que après le salut, après le salut, les amis de Jésus doivent porter le fruits de l'esprit. Lorsqu'un enfant pécheur se repent, il devient un ami de Jésus. Ses frères ou ses péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Amen. Deuxièmement, Dieu s'attendra alors à ce qu'ils vivent une nouvelle personne et porte le fruit de la nouvelle vie. So, sa nouvelle vie montrera le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est groupé à neuf dans Galates chapitre 5, verset 22 et 23. Aucune partie ne doit manquer dans la vie d'un véritable ami de Jésus. C'est pourquoi on ne l'appelle pas fruit de l'esprit, mais fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits like, parce qu'ils sont, sont nombreux. Le, on l'appelle pas fruit de l'esprit, mais fruit singulier, le fruit de l'esprit. Parce que tous concourent à un, deviennent un. Donc, un enfant qui est né de nouveau doit aller faire ses travaux. Et cet enfant, cet enfant, c'est un enfant de Dieu, ce garçon, ce cette fille va avoir l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la foi et la tempérance. Ce qui suffit que cette personne est l'enfant de, de Dieu. Alors, aujourd'hui, on verra dans cette étude, nous allons maintenant étudier chacun des fruits de l'esprit. Chacun des fruits de l'esprit. Chaque fruit de l'esprit. Nous les étudier un à un. Dans Jean chapitre 1, 1, Jean chapitre 4, le verset 8, verset 16. Dieu est amour. On voit que Dieu est comment amour. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle. Il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ pour qu'il meure pour nos péchés. Alors, il, en acceptant l'amour de Dieu et en devenant un ami de Jésus, il reprend ou remplit tellement notre cœur de son amour que vous pouvez le partager avec les autres. Aimer les autres, c'est faire preuve d'attention, faire le bien et rechercher le bien des autres. C'est ça un enfant de Dieu, un garçon de Dieu, une fille de Dieu doit faire. Donc, on voit aussi la joie. La joie. Lorsque vous comprenez que Dieu vous aime et que vous savez vraiment que Jésus a payé pour vos péchés le prix, la joie entre dans votre cœur. Lorsque vous traversez les épreuves et des problèmes, vous vous souviendrez vous souviendrez toujours de la parole de Dieu et de son amour. Alors, votre cœur sera rempli de joie et ensuite, vous partagerez cette joie avec les autres. Troisièmement, nous avons la paix, qui est le troisième fruit de l'esprit. La paix. La paix est une assurance profonde dans le cœur que tout va bien parce que nous servons un Dieu aimant et merveilleux. Lorsque nous engageons, oh, nous engageons envers Dieu et que nous lui faisons entièrement confiance, il nous donne une paix parfaite. Le troisième, oh, le troisième fruit, c'est la patience. Qu'est-ce que signifie la patience La patience signifie être patient, capable de supporter la souffrance et l'un se mettre en colère. Vous ne voudrez pas rendre le mal pour le mal. C'est quelqu'un qui a la patience. Vous avez, en oh, vous aussi, vous attendez votre tour et vous serez satisfait de tout ce que Dieu prévoit pour vous. Quatrième, la douceur. La douceur. Vous ne voudrez pas blesser quelqu'un ou lui causer de la douleur. Alors vous êtes calme et pas un bavard ou un auteur de trouble, un causeur de trouble. Vous mettez les autres en premier. Le suivant, c'est la douceur ou la bonté. La douceur ou la bonté. Cela vous rend bon pour les gens. Vous serez également gentil de partager la parole de Dieu avec les pécheurs et aussi de partager ce que vous avez avec les autres. Le suivant, c'est la foi. Quand vous priez, vous avez la foi. Cela signifie avoir confiance absolue en Dieu et à sa parole. Vous croyez que Dieu fera tout ce qu'il a promis même si vous ne l'avez pas vu. Le suivant, c'est la douceur. La douceur seigneur nous donne Être doux, c'est être humble. Même lorsque vous prenez la première place à votre examen et que vos parents sont riches, ou bien votre, vos parents sont riches, vous ne vous montrerez pas, vous ne vous vanterez point vous ne vous élevez point, mais vous serez doux. Vous vous mettrez à la place des autres. L'autre, c'est la tempérance. Le dernier des neuf, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. De nombreux enfants ne peuvent pas se contrôler lorsqu'il s'agit de manger, de tricher aux examens d'acheter des choses, de jouer à des jeux et même de regarder des films. En tant qu'enfant chrétien, la Bible veut que vous soyez modéré dans tout ce que vous faites. Quelques questions pour vous. Qui font les fruits de l'esprit dans notre corps Qui font le fruit Qui font les fruits dans le corps les fruits naturels que nous mangeons, qu'est-ce que ces fruits-là font Non, deuxième question, c'est que quelle est la différence entre le fruit que nous mangeons et le fruit de l'esprit Donc, il y a une différence. Les fruits que nous mangeons, ce sera nous nourriture. et nous garde en bonne santé, nous donne la, la croissance physique. Mais les fruits de l'esprit, c'est le caractère divin de Dieu qui est donné par l'Esprit Saint lorsqu'on devient son enfant. Mentionnez les neuf parties du fruit de l'Esprit. On a mentionné ça. On a vu ça là-bas. Comment Dieu nous a-t-il montré son amour à travers son Fils unique qu'il a envoyé pour venir mourir à cause de nous, nos péchés Mentionnez le fruit de l'esprit que vous pouvez. Vous pouvez mentionner la joie, la bonté, la bénité, la paix, la tempérance. Vous mentionnez. Et dans votre vie, propre vie, on peut avoir beaucoup de. Maintenant, l'autre leçon d'aujourd'hui dit un enfant chrétien est connu par les fruits qu'il porte. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu Alors on le reconnaîtra à travers vos fruits. Je vous donne un travail. Laissez que votre vie montre aux autres à l'école et à la maison ce que le fruit de l'esprit fait ou est. Notre pensée du jour dit, ma vie doit montrer le fruit de l'esprit. Ma vie doit montrer le fruit de l'esprit. Ma vie doit montrer le fruit de l'esprit. Les activités que je vous donne. Les enfants doivent inscrire les fruits ou oh, les huit fruits restants de l'esprit sur l'arbre dessus. J'ai nommé un. Sur les autres, vous allez les nommer. Les autres huit. Quand vous les comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les, euh, le reste des, huit, vous allez les nommer. Que Dieu vous bénisse en le faisant ainsi. Vous pouvez aussi avoir votre cœur, votre cœur, la chanson, non que les autres voient Jésus en toi. Je vais creuser un peu plus. J'aimerais et j'aimerais ma petite lumière. Et en le faisant ainsi, le Seigneur est tellement si content de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Prions. Père, nous te remercions, de te glorifions aujourd'hui. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, c'est que Dieu nous aide et conduit nous à travers. Et aide-nous, Seigneur, à chaque moment que nous écoutons ta parole, que nous le mettre en pratique au nom de Jésus. Aide les enfants et qu'ils entendent et qu'ils le mettent en pratique à chaque moment qu'ils écoutent ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Donne-nous l'esprit, cet esprit qui va tellement nous aider à prouver que nous sommes enfants de Dieu à chaque moment. Merci Dieu parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.